Madame Gaël Ramotolaïen, secrétaire générale du ministère de l'Environnement. Aujourd'hui, c'est lieu de lancement du programme de préparation du programme. Le Et ce programme, euh, le Sénégal a bénéficié d'une subvention de 300 dollars pour vraiment aider toutes les parties prenantes à pouvoir formuler des projets visant à, à mettre en œuvre le plan d'action climatique. Effectivement, des projets programmes doivent de cas traduire notre euh, souhait de nous mettre sur une trajectoire sobre en carbone les résidents. Donc vraiment l'objectif de ce fonds, conformément à beaucoup de fonds c'est parce qu'il faut dire que le fonds vert a été créé en 2010 lors de la 16e conférence des parties à la Convention cadre sur les changements. Et euh, donc il est en train de devenir le principal mécanisme financiers, de mise en œuvre sur ce fonds. Donc ce fonds, contrairement à la vingtaine de fonds existants, euh, doit permettre à aider les pays à formuler des vraiment qui est économiquement parlant, également sans en carbone et énergies. Donc c'est vraiment une opportunité pour le de pouvoir bénéficier de ces fonds. Euh, la gestion des déchets, la forêt dans le secteur de transport et des mesures et des mesures prioritaires en termes d'organisation Donc le Sénégal s'est engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre à hauteur de 5% si l'on maintient la tendance actuelle de mise en œuvre du plan Sénégal mais on peut aller jusqu'à 21% si nous bénéficions de, de, de financement Donc l'objectif de, ce, de ces fonds de programme, c'est de nous aider à formuler des projets et programmes dans le sens de la mise en œuvre de nos engagements au niveau de la Et à atteindre nos 21%, pour cela, il nous faut accéder aux 100 milliards, milliards de dollars annoncés à Paris et qui devaient être mis en place. Aujourd'hui, euh, quelle a été, euh, quelle est euh, justement la position du Sénégal Oui, le Sénégal a signé et ratifié l'accord de Paris. Et cet accord est entré en vigueur depuis 2016 aussi, Depuis 2017, 2016, 4 mois Donc avant, juste avant la tenue de la fête le Sénégal, comme toutes les autres parties prenantes à la Convention cadre des Nations Unies, a, ratifié cette convention donc, et dans une optique de mettre en œuvre cet accord. C'est vrai, certains pays qui, sont euh, qui veulent se retirer, mais ce ne sera pas chose facile. Parce que quand on, <laughs> quand on ratifie une convention internationale, ça engage le pays, ce n'est pas le jour où on va prendre. Je pense qu'on a d'ici 2020, on verra ce que ça va donner. Je pense qu'avec euh, la marche des choses, euh, ce que notre planète ne peut plus première à, à, à supporter ce qu'elle supportait. Donc je pense qu'avec les choses telles que se présentent, les gens vont revenir à une mentalité euh, de face à ce changement. Donc le fonds vert climat le fait accompagner le pays par le des fonds de préparation mooy ak koppar par le teg suñu qui est doon moo xam daf ñuy a tëgg projet programme xam li ñu bëgg a soumettre ci projet yu mag ñun dëkk yi nga xam ne dañoo néew doole waaye ñun ñooy subir les effets des changements climatiques ñu mën a

loolu nag la ñu Vert Climat ñëw di accompagner comme ren jii yëpp ndax ñu ko mën di waajal donc ci ci tànk yooyu lañ nekk loolu moo taxoon solo ndaje bi. ci ci yan secteur prioritaire moo. waaw secteur prioritaire nag bu bëri na mooy euh, transport la maanaam dem jënd dikk bi nekk na ci gestion des déchets nekk na ci foresterie nekk na ci. Euh, élevage ak euh, agriculture xam ngeen ne agriculture dafa am solo ci Sénégal ndax suñu euh, suqalim réew dañ ko teg ci secteur ñu naan secteur agricole donc kii yooyu yëpp secteurs yëpp dañuy xool bu nekk luñ ciy def pour euh, contribuer ci changement climatique ñu ne naam économie kon ne di doxe lii lan ñu mën def mën nañ def 5 pour cent waaye pour ñu def plus dem ba 21 pour il faut ñu am koppar yu doy te koppar yooyu nag la ñuy fas yéene dem jënd ku mu nekk di yëg loolu ngeen soxla suñu réew mi ci yoon bu sell. li wax tuuti si accord Dakar nga xam a toog dafay euh, Sénégal a taxawee taxawaayam leer na ci boobu ndax Sénégal bokk na ci dëkk yi xam ne dañoo rek dañoo njëkk ratifié accord boobu daal di ci Sénégal bañ doon def Paris. tëggoon nañ document bu ñu wax contribution prime naa suñu yéene léegi xam nañ exactement lan la ñu bëgg a def pour mettre en œuvre accord donc dëkk yooyu nga xam ne ñu ngi naan dañuy retiré wu dama naan nañ bàyyi euh, jamono euh, naka la mu jàll ndax euh, yaakaar naa ne dugg ci accord génnee ci noonu waru mën tey mën a yomb surtout fi ñu toll ñi nga xam ne dañuy dañoo nekk di subir naam di.

et tel, tel que cela a été présenté aujourd'hui et tel que cela aussi a été, euh, été élaboré pour la, mise en, pour la mise en œuvre, dans tous les pays, ce, processus demande la participation de l'ensemble des, des, parties prenantes. L'État a un grand rôle à jouer pour euh, développement de ces, projets et, programmes, mais aussi les acteurs non étatiques ont un important rôle à jouer, que ce soit les organisations de la société civile, que ce soit les collectivités territoriales, parce que tout va se faire au niveau du, terrain. Et c'est là où nous disons qu'aujourd'hui, se féliciter d'ailleurs de, de ce genre de partenariat qui est en train d'être développé entre l'État, le secteur privé et les organisations de la société civile. Et ce sont des, niches pour nous qui, qui pourraient permettre justement d'aller vers des projets et programmes transformationnels. Parce que ce qui est déterminant dans le cadre de ce fonds vert, euh, de ce fonds vert climat, c'est la disponibilité de ressources. Ça, c'est une chose. Mais le plus important, c'est quel serait l'impact de l'utilisation de ces ressources financières. Donc l'État va mettre en place le cadre. Il appartiendra maintenant à l'ensemble euh, des, différentes catégories d'acteurs de travailler en synergie pour impacter sur le terrain. Et c'est ça l'État. Dans votre Le financement climatique, il y en a plusieurs mécanismes. Plusieurs mécanismes. Mais la constante en termes dans, dans le cadre de la mise en œuvre, c'est du point de vue des procédures. C'est du point de vue des procédures et d'ailleurs, c'est là où justement le fonds vert climat a apporté des innovations du point de vue de l'accès direct pour permettre aux entités de, mise en œuvre d'être à proximité, à proximité des porteurs de, projets au niveau, des pays. Donc du point de vue des procédures, déjà, ça pose problème au niveau des, mécanismes de financement, de financement climatique actuellement aussi, euh, quand on se réfère à ces, différents mécanismes, euh, il y a tout un mécanisme de renforcement des capacités qui accompagne ces processus pour permettre aux, États, pour permettre aux collectivités territoriales d'avoir la possibilité de se renforcer pour justement pouvoir accéder à ces, à ces différents